une nouvelle façon de voyager. madame, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette euh, édition du soir. Édition que nous ouvrons avec euh, les éléments de la police judiciaire qui ont euh, démantelé deux bandes armées qui opèrent dans les régions de Niamey, de Dosso et à Konni. Ils ont été présentés à la presse ce matin. Amadou Haruna et Kantama Ibrahim pour plus de précision. Deux bandes de gangs ont été démantelées par les éléments de la police judiciaire. La première opère à Niamey et ses environs la deuxième à de ceux connus à l'heure actif des vols et Ces deux bandes ont été euh, démantelées par la PJ au début de ce mois. La première bande, qui est composée essentiellement des Nigériens, est composée de 10 membres, ou plutôt 10 membres ont été arrêtés dans la bande, puisqu'il est très difficile de dire euh, le nombre de membres d'une bande. Ce sont des Nigériens, ils ont été arrêtés avec 4 euh, pistolet automatique. Parmi ces Nigériens, ce qui est grave, c'est qu'il y a même un mineur de 16 ans qui a été trouvé avec un Cette bande a à son actif quatre vols qui ont été reconnus. Il y a un vol qui a été opéré à Komabangu, un autre à Tilaberi et deux vols dans euh, la ville de Niamey au niveau du quartier Antala. La deuxième bande qui est de loin la plus dangereuse, c'est une bande qui est composée essentiellement des ressortissants d'un pays voisin. Dans cette bande, il y a un Nigérien en réalité qui joue un rôle mineur puisqu'il eh, sert d'agent de renseignement pour la bande et aussi il fait le guet quand il faut les opérations. Cette bande a reconnu 10 vols criminels. Parmi ces 10 vols, il y a 4 qui sont précédés ou suivis de meurtres. Je pense que ça fait l'actualité dans ces pays. Et ces dix vols, en réalité, ont été commis dans un espace de temps relativement bref, puisque c'est euh, les mois de février, fin février, mars et avril 2020. Les premiers vols avec mort d'homme, ils l'ont commis à Dosso dans la nuit du 24 au 25 février 2020. À l'occasion de cette attaque, le fils d'un célèbre marabout de Dosso a été abattu par balle. Je pense que ça fait l'actualité de ce pays. Et le lendemain, dans la nuit du 26 au 27, ils se sont transportés à Niamey pour attaquer mortellement un garde. Donc un agent de la garde nationale a été abattu par balle, un garde qui était à service au domicile des membres de la HATIA. Ils l'ont abattu et ils se sont emparés de son arme de service AK-47. Un peu moins de deux semaines après, en début mars, dans la nuit 17 au 8, cette même bande a fait une opération à Kony qui a fait aussi l'actualité. Donc ils ont attaqué des monnayeurs avec quatre armes à feu dont la AK-47 qui a été prise après avoir abattu le garde. Donc ils ont pris une importante somme d'argent. à cette occasion aussi, il y a une personne, un pilote taxi-moto, qui a trouvé la mort. Quelque temps après, la même bande est revenue à Niamey, où cette fois-ci, ils sont allés attaquer une alimentation dans le quartier Bassora. À cette occasion, ils ont tué un, euh, le gardien de l'alimentation qui refusait de leur remettre les clés. Cette fois-ci, ils l'ont poignardé, ce n'était pas avec une arme à feu. Donc, je cite vraiment les attaques à l'occasion desquelles il y a eu mort d'homme. Mais il y a eu beaucoup d'autres attaques qui ont été vraiment spectaculaires, même s'il n'y a pas eu mort d'homme. La police compte sur la collaboration de toute la population pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui menace la sécurité des citoyens. Les éléments de la brigade d'intervention de la PJ également été félicités et par le parquet de Niamey. La suite de cette édition avec la poursuite des travaux en plénière à l'Assemblée nationale ce matin avec à l'ordre du jour l'examen et le vote de quatre projets de loi dont celui relatif à l'institution du Code pénal du Niger retrouvant une fois de plus Amadou Harna et Kantama Ibrahim. La plénière de l'Assemblée nationale va se pencher sur l'examen et le vote de quatre projets de loi. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1961 portant institution du Code pénal composé de trois articles. Des projet de loi modifiant et complétant la loi du 24 août 2012 euh, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission nationale des droits humains. Trois articles euh, du projet de loi portant répression des infractions en matière de fabrication, d'importation, d'exportation et de vente des engrais au Niger. Neuf articles et enfin du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit d'un montant équivalent à 89 200 000 euros signé le 30 janvier 2010 à Niani entre la République du Niger et l'AID pour le financement du projet de transformation de l'agriculture et de l'élevage qui comporte deux articles. La plénière euh, reprendra le vendredi 8 mai 2020 à partir de 10h à l'hémicycle. Tout, tout, autre aspect dans cette édition avec euh, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey qui a entrepris ce matin une série de visites sur les sites de pépinières dans les différents arrondissements communaux de la ville de Niamey. Il se réjouit du constat fait sur le terrain, c'est du moins ce qui ressort de ce reportage à Dural Yassami et Moumouni Abdurrahman. Cette visite du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a concerné plusieurs sites de pépinières aménagés dans le cadre du programme euh, Niamey Ville Verte. La délégation s'était d'abord rendue à la commune Niamey 5 au niveau du site de l'école La Mort de Deux, ensuite à la corniche Guamkale, puis à Wadata, à la Grande Mosquée, au quartier Lazare, pour finir avec Hantigoussou. Ce sont partout plusieurs centaines de pépinières qui sont aménagées avec plusieurs espèces végétales. Nous avons initié de planter 3 millions euh, d'arbres dans la ville de Niamey. Et pour cela, il faut des moyens et il faut préparer. Et dans le cadre de la préparation de la plantation de ces 3 millions de nous avons donc euh, organisé au niveau des arrondissements euh, l'aménagement donc de pépinières qui vont produire des plants à la population de, de Niamey. Ce qui fait que dans chaque arrondissement, nous avons euh, des pépinières avec euh, une ressource humaine et du, du, matériel, des espaces euh, dédiés à cela. Et chaque arrondissement a pour objectif de produire 500 000 plantes. 500 000 plantes non seulement donc, euh, par nos équipes, mais 500 000 plantes aussi en collaboration avec les pépiniéristes euh, privés que nous avons euh, recensés. Parce qu'il faut savoir que il y a quand même une activité commerciale dans ce domaine et notre but c'est de renforcer, de redynamiser cette activité commerciale de production de plantes de la ville de Niamey. C'est pour cela que en plus de la production locale dans nos pépinière, nous attachons un intérêt particulier à la production euh, euh, privée. Ces espèces végétales sont surtout des arbres fruitiers et aussi des espèces en voie de disparition dans notre pays. Toutes les espèces locales utiles, en tout cas, sont identifiées. C'est-à-dire qu'il y a au moins une trentaine d'espèces qui seront produites dans nos différentes pépinières les espèces là sont des espèces locales utiles qui sont de fruitiers, d'autres sont de fruitiers, d'autres sont des espèces à vocation médicinale et d'autres euh, même pour euh, euh, l'appétage pour alimenter l'alimentation humaine et, animale. Donc entre autres on peut identifier le vitex doniana qui est bien connu, fruitière, les pterocarpus erinaceus Ce sont les noms scientifiques. Les noms les plus simples, bon, le, le, le, carité par exemple, les tamariniers, hein, les Parkia biglobosa qui est, euh, en germain on l'appelle le loutre, les, euh, vitex qu'on appelle le boy en germain, euh, aussi les moringas et, de la partie et même des espèces euh, qu'on peut mettre un peu en périphérie, telles que euh, l'acacia sénégal pour la gomme arabique et autres. Donc pratiquement toutes nos espèces locales, souvent en voie de disparition, sont comptés parmi les espèces qu'on est en train de produire au niveau de nos différentes pépinières. À travers donc ce programme, la ville de Niamey envisage de reverdir la capitale avec des arbres surtout fruitiers. Ainsi donc seront plantés tout au long de ce programme jusqu'à 3 millions d'arbres dans les espaces et autres services publics, toute chose qui permettra de cultiver l'environnement et renforcer la culture des plantes. Enfin, ciel niagé avec des suspensions de poussière dans la nature, c'est le phénomène qui couvre presque toutes les régions du fleuve depuis hier à 4 mai à ce jour à 5 mai 2020. Qu'est-ce qui explique à ces phénomènes L'ingénieur météorologique répond à cette question dans ce reportage de Afang Béji Kossi. Selon les prévisions météorologiques, l'augmentation de température sur les régions du fleuve depuis quelques jours se justifie du fait de la croisée de vent, provoquant ainsi une suspension de poussière dans la nature accompagnée de pluie. Le dimanche, il y avait eu euh, une euh, forte intrusion d'air humide euh, sur la boucle du Niger, ce qui a occasionné des précipitations sur la région de Maradi et également sur le sud Aïe. Donc, la matinée du, du lundi 4 mai, il y avait déjà de l'humidité qui était là hier dès la matinée, et le front intertropical reste toujours très remonté sur la boucle du Niger. Ce qui veut dire qu'il y a une bonne intrusion d'air humide. Ça, c'est le premier facteur. Pour qu'il y ait eh, formation orageuse, impérativement, il faut qu'il y ait l'humidité qui constitue le moteur de toute convection. Donc, l'humidité était là dès la matinée. Ensuite, nous avons une dépression au niveau du du Nord Mali et également une ceinture dépressionnaire jusque sur le Nigeria. Donc qui parle de dépression euh, parle euh, de creux. Et ce creux-là s'est créé, il s'est créé ici, à, à, 1500 mètres en latitude, c'est-à-dire à une euh, épaisseur encore plus profonde, nous avons de l'humidité, ce qu'on appelle le plus souvent à 850 que c'est-à-dire à 1500 mètres d'altitude. Nous avons aussi de l'humidité et les conditions météorologiques étaient très favorables. Donc, de la matinée, on avait observé, hier de la matinée, bien sûr, le 4, on avait observé la formation d'une cellule orageuse sur Sofilingué. Ce phénomène observé dans l'environnement était prévisible et s'explique aussi par les conditions climatiques favorables, annonçant ainsi une phase de transition entre les saisons. cette situation est en train de se décanter, c'est-à-dire la poussière que nous voyons euh, sur les régions du fleuve va, se dissiper progressivement. le système en bourgeonnement qui se trouve présentement sur euh, Wallan lui aussi ne pourra pas aller loin parce qu'il y a la poussière ici qui le couvre. Donc cette, cette situation-là va davantage assécher l'atmosphère. Donc il n'y aura pas assez d'humidité. Donc pour les prochains 24 heures, euh, on va certes observer euh, cette suspension de poussière parce que le dépôt de particules en suspension va continuer euh, tout au long de la journée d'aujourd'hui. Mais pour les prochains 24 à 48 heures, la, station, la, situation va se stabiliser. Donc hier, c'était une situation difficile, mais aussi confortable. Difficile parce que c'était rare, je pense c'était depuis 2011 on n'a pas eu cette, euh, ce type de, tempête avec euh, un ciel euh, complètement noirâtre, avec de la poussière. Ensuite, les précipitations ont suivi. Ça, c'est le premier aspect parce que ça a des incidences sur la santé, sur la circulation, parce que hier, la visibilité était carrément nulle. On ne voyait rien. Donc, vous voyez, ça peut avoir des impacts et également, ça peut avoir des incidences. Mais l'autre aspect également qui est, est ici à mentionner, c'est le fait que cette euh, activité d'hier a permis aussi de casser cette vague de chaleur que nous avons observée. Il faut le rappeler que depuis l'an 2011, le Niger n'a pas encore connu un tel phénomène de poussière aussi dense, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé et surtout la vision. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Bonne rupture à toutes et à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.